kon bu kenn xaar ñu ñëw sa buntu kër nga xam chaque mois 1000 yi ngay joxe nga xam ne mënoon nga ko utiliser si leneen si biir si si si si Ziguinchor suñu euh, wareef mooy lan Ziguinchor émergé ak doole ba ñëpp di ko dégg di ko gis ñu ngi gisee moo ñu topp suñu LG euh, suñu jiit gi fii su ma ko jógee nag di remercier bureau bi fi toogoon nga xam ne ñoom ñoo dox dox bi ba tey ñu am lu ñuy am. tey bu ñu amee sañ-sañ di taxaw ñu wax ak yéen ma ne ko loolu yaay parce que ñoom ñoo yaatal seen xol kii di El Hadj Mbacké Niang Modou Faye ñu ngi leen di gërëm parce que pendant toutes ces années ñoom ñoo fi nekkoon liggéey liggéey bi ba tey mu jur lii kon ñooñu bëgg naa ñu gërëm leen parce que ñun tey ñu ngi doog a door rek ma jógee nag di leen liiral nag bureau bi ñu installé bureau bii nag mooy ñëw nag continuer liggéey liggéey bi ci wax di ngeen dégg tey si suñu LG génégal muy am yi pour ñu mën a egg jot lu ñuy jot egg fu ñu naroon egg ba ñëpp gis suñu émergence képp ku ci dégg sa tour nag na nga xam ne yaa ci bureau bi nga bokk si nar a ñii liggéey liggéey bi tàmbali nag parce que ñun commencé nañ ko mais léegi la gën a tàmbali pour ñu mun ko gën ko liggéey ñu gën a wane suñu bopp allons voir les wane suñu bopp fii si Ziguinchor voilà. ministre ministre réunis nous secrétaire général régional madame Loli Ndiaye secrétaire administrative régionale madame Oumi Bari Oumi. Oumi, nous allons ñu s'il te plaît. Secrétaire à l'organisation régionale, Madame Da Silva, Secrétaire chargé des affaires extérieures, Monsieur Malik Secrétaire chargé à l'éducation et la formation, Madame Seynobou Boubadi, moi, je présenté présenter parce que un mot fait mais doomam yaa ngi nii mooy affaire si ngeen gis ñu taxaw noonu ñooy représenté seen secrétaire chargé des affaires sociales kooku tamit dafa am dëcc nekkul sur place woo na ma muy Rosalie Bamputi. secrétaire chargé de l'hygiène joxe que monsieur Amadou Sy monsieur Amadou Sy jëloon ñu gis nga parce que Légué à 6, secrétaire chargée de l'entrepreneuriat féminin, Madame euh, Ramadan. Madame Ramadan. Secrétaire des projets et développement, M. Euh, Monsieur Mahamadou Hassan Sek Diallo. secrétaire chargé à l'environnement, Monsieur Moussa Sissé. Secrétaire chargé euh, de la syndicalisation, Madame Brigitte Diata. Brigitte Diata, mon nekku fi parce que tey église bi dañu journée de l'évêque Et en tant que président des femmes de Colobane nous nous présentons Alors comité des femmes Mme madame Kandi comité des jeunes mu euh, que mademoiselle Anne Léa je ne que représente représenté parce qu'elle n'a pas un empêchement voilà merci beaucoup secrétaire des finances moo di si c'est fay camarade moo Bienvenue fay

parce que xam ngeen syndicat nu dans les bureaux beaucoup d'associations ou la parti politique c'est-à-dire le euh, syndicat qui est le secrétaire général le secrétaire général l'association est ko petit ci association day ci président mais syndicat le amul syndicat secrétaire général qui mais le secrétaire kilifa gi ci a secrétaire yi ngeen le secrétaire régional le secrétaire régional c'est le dañu jël département euh, li def duñu def ay commission ñun ay département lañuy def manam euh, poste bo leen dégg fi ñu tuddu ko rek département la mais ki ñu fi tuddu mooy ki nga xam ne moo nekk ci bopp département bi mais am na fii département yoo xam ne yi dafa am 10 adjoints damay jël rek par exemple le département chargé des revendications et des négociations collectives kooku dama koy jël parce que daf ma ñor ndax ñaare liggéeykat bu amee problème dafay ñaxtu liggéeykat bu amee problème dafay revendiquer mais comme ni ñu leen ko waxee syndicat de développement du syndicat xeex mais ñun dañu jël la voie de la négociation collective kon ñu jël revendication ak négociation collective boole ko ci benn département pour que tey boo leen amee problème groupe bi nga xam ne ñoom ñooy dem defi revendication euh, jëli revendication yi su ma ko jëlee ba indi ko ci biir groupe boobu dinañ fa teg beneen groupe boo xam ne bii groupe boobu moom mooy dem négocier ji problème yooyu parce que xam nga ki mer bu buñ ko ne kaay dem nga dem négocier ji bu yeggee négociation ba day yàqu ndax day xeex mbaamu xuloo mais dañu naan yow da nga mer menuisier bii jël nañ bantam mais moom dafa mer léegi kii lu tax man ma koy yebal ci gouverneur wala ma koy yebal ci préfet ndax moom bu yeggee bu préfet waxee lu ko neexul rek attan naa dam ma taabal jël mais en face de lui dinaa jëlaat beneen menuisier boo xam ne bii wala ma jël beneen mécanicien boo xam ne bi artisan la comme moom mu dem mën a négociation yi buy mën a yi c'est pas que nag ay que négociation dafa ànd ak lu mais buy dem dama ne yàlla na nekk groupe juróomi nit rek exemple laa leen di jox ci biir juróom yooyu dina am benn dof bi nga xam ne bu ñuy négocier bu ñu demee ba ci biir mu wax waxu dof ñëpp jaaxle dina am benn yàqkat boo xam ne bu ñu demee ba yaakaar ne lii dinañ ci juboo mais xëy na bu ci juboo du ko arrangé mu yàq ndaje ma ñu boole ko ñetti defarkat nag ñu dem négocier ji loolu c'est des formations yoo xam ne ñun dañu pare pour ñëw indi leen ko dañu ndax syndicat revendication rek la yeneen yi ci des mooy les les euh, l' économie parce que économie la ñu wax fii daf fi am benn département bu ñuy wax département de l' économie ñu tudd fi sànq bi nga xam ne moom lañ ko dégg mais département boobu dafa am économie dafa bëri ay façon économie verte adjoint la ci département boobu

ndax njiit dafa am nu mel njiit dafa am nu muy doxe njiit dafa am nu muy def bu ci formation boobu dinañ dem ak euh, négociation collective bii ñuy wax nii ndax négociation dañ koy jàng nan ngay négocier lan ngay négocier kan ngay négocier nan nga war def lu ngay négocier loolu yëpp dafa nekk loo xam dañ ko war a dimbale ñu bi ak bi mais ñu jël syndicalisme de développement ñu xool ba xam ndax changement du ñi ma fi dégg nag ñu nangu seen i baat loolu moom ni ko Echia Camara waxee laa koy defee man de mënumaa dem police fële wala tribunal mais am naa ko ma mën a fajal ministère de l' intérieur muy Camara donc ñu ngi continuer toujours ci liggéey bi ñu ngi ñëw jox kàddu gi le camarade Boubacar Thial mu def le discours officiel de l' assemblée générale monsieur Thiam. je ne serai je voudrais d' abord euh, saluer personnellement Annie que je connais bien. Euh, je l'ai rencontré à Dakar, comme l'a dit M. Kamara, euh, Et elle a travaillé, c'est pas aujourd'hui, dans le secteur informel. En rapport avec notre camarade secteur général national, Marem Saho Dansoko, qui est aussi une femme. Elle est, la, responsable nationale du syndicat des professeurs du Sénégal. C'est une dame encore, Digène Duman Vous dire qu'il faut vraiment, euh, euh, vraiment euh, applaudir fortement à Amido. Elle parlé, elle a parlé de formation. C'est important. Un syndicat ne peut pas se développer sans la formation. Être dans un syndicat, xamloo foo jëm xamloo looy def et cetera et la a pour nga xam a def ak li c'est important Et a de la a parlé de module ici le module du leadership transformationnel c'est important c'est le leader numéro un qu'on doit porter à votre intention dans le cadre de la formation l'autre aspect le bureau consensuel qu'on vient de vous présenter nous, nous ne sommes pas associations. Nous ne sommes pas euh, des ASC de Navetan. Il faut se battre. Il faut se donner des coups de poing, extra, extra, pour mettre en place le bureau. Nous sommes un syndicat. Il faut un bureau consensuel. Nous avons renouvelé les, instances de, l'Union des Synthèse il y a quelques mois seulement. Nous avons travaillé ici de, 15h à 18h pour mettre ce bureau-là, ce bureau consensuel que nous avons présenté à l'Assemblée. C'est dire que je voudrais encore une fois euh, remercier Annie, remercier la délégation, la forte délégation qui l'accompagne. Vraiment, euh, pour certains, c'est une découverte. Euh, camarade l'a dit, il a des, on ne cesse de dire à notre camarade S.J. Euh, du bureau confédéral, nous, nous avons besoin de voir les, camarades secrétaires généraux venir dans les régions. Ça nous donne la confiance, ça nous donne la force. Mais rester à Dakar, vous voulez piloter la région, lors du que ce n'est pas possible. Donc il faut rester à fortement. Euh, je ne serai pas long, je voudrais encore une fois euh, euh, souhaiter que la délégation retourne à Dakar, qu'elle retrouve chaque délégation, chaque camarade, sa famille et ses enfants. Et je vous remercie. plus toute la délégation de Dakar qui comme l'a dit euh, le camarade nous fi ñëwee ci jàmm ñoom it ñu delluwaat ci fait ci nous avons fekk njaboot bi yëpp ci jàmm ñii fi jógee bayeeku ci nous quartier ñoom it ñu dellu fekk seen njaboot ci jàmm donc euh, ñuy waajal clôturer rek on va faire la pro la conclusion des des travaux par monsieur Kam. ñaam merci camarade Annie et toute la délégation qui l'accompagne. Merci le doyen Sayo, Bakari Sayo, qui est parmi nous. Un doyen délégué du personnel de la Sonacos. Avant la Sonacos, c'était la SIC. C'est les doyens qui nous ont formés en tant que syndicalistes. Camarades donc doyens, nous voulons de la santé. digolam madame da Silva madame da Silva Loli Ndiaye camarade Mbacke Ning, vraiment ñu ngi leen di gërëm leen sant au nom du bureau de l'union régionale des syndicats syndicats Ziguinchor waxtaan bi neex na lool dafa am fu anilal il faut ma delu ci tout le grand formateur de la synthèse, Boubou Kangi. Le doyen Madia Diop, paix à leur âme, disait ceci. Vous, délégués du personnel, vous allez rencontrer cet employeur, vous l'avez rencontrer. vous allez rencontrer si seen délégation allez soo leen di dem na rencontrer.

je le dis à l'intention de la délégation de Dakar, xëy na le ko parce que Giro du def booba l'IMFRI indi presque maintenant 200 millions sinon plus na ne na pas parce que 130 millions plus 87 millions je crois que nous bëri na te ñan des anciens travailleurs de ce avons La représentante Rosine Diagui est là derrière nous. devant nous. Nous avons été en 2003. Nous avons organisé un GIE. Rosine Diagui est là, de Dakar, nous avons été en Nous avons été en Ligue. Nous avons été un Ligue. Nous avons été en nous nga un ay de donc mu metti lol, coïncider avec la situation de la région que vous connaissez tous Je partenaire un peu partout nous avons un partenaire italien Je laaj usine de glace une usine de glace de 15 tonnes par jour de glace de Nous avons wax ñu machine encore. Nous a encore une machine est ñu yor ni courant cher par mois parce que bi comme man tam chômeur laa liggéeyuma fii lay inspection du travail.

87 millions fin du mois il commencer commencé démarrer Vous avez un ingénieur, italien qui qui ñu installé ko y nekk si loolu organise ñu projet encore pour euh, la mangrove mangrove villageois yi nekk Ñambalan organiser jox leen ay gal ñeenti gaal la leen jox jox leen tricycle boobu ko xam ñambala xam nga ne ñàmbalaan fu ñuy seen tool yi fu nekk ak village bi dafa sori kon sen sen seen ceeb fu ko yóbbu dafa xaw doy metti jigéen yi ñaan ko tricycle mu jënd ko un million deux francs mu def ci suma tur mu ne ma yow yaa ko jëndal union région wala ko jënd ñu jox leen ko da ko waaj ñambala pour au moins euh, 1 200 000, comme je le disais tantôt. Et vous, vous. avez fait 15 de tout à Nyambalan. Comme, à nous nous avons aussi syndicats. Nous avons aussi Nous donc l'île def région dans le nord effectivement

am nañ fi gardien il suñu ngeen contact ma ngi am ne gardien bi ubbi leen buntu bi ñu def ci réunion camarade Ali loolu laa leen loolu laa bëgg yokk si waxtaan bi di gërëm ñëpp di sant ñëpp ah comme eh, patron micro central nee na waxtaan bi jeex na franku laay na xanaa eh, lii yi ani suñu amul liñ si ka ñu gërëm ñëpp sant ñëpp encore une fois de plus ñaanal leen ngeen dellu si jàmm waaw. gunge leen muy mhm. monsieur Guèye bi nekk sama ginnaaw. ma fàttali taxaw monsieur Guèye baal ma jógal taxaw monsieur Guèye ah, jàppale na gars dimbalee na leen te mu ngi leen dimbale toujours monsieur Guèye ñu ngi lay gërëm la sant fii mooy CNTS. saa yu ñu soxlee ñëwal ñu ànd liggéey jërëjëf camarade ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp la séance est levée